forum du studio Kalamkou. Le forum du studio Kalamkou. Le forum du studio Kalamkou. Le forum du studio Kalamkou. Le forum du studio Kalamkou. Le forum du studio Kalamkou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15 minutes. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalango. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalango sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux de région. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozérine, Magaria, Mainesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Dans le forum de ce jour, nous débattons de la gratuité des soins. La gratuité des soins ou, entre parenthèses, aller se soigner sans payer c'est une politique mise en œuvre par l'État du Niger à partir de 2006. Elle concerne principalement les femmes enceintes et les femmes et les enfants de, moins de 5 ans. Son objectif, c'est de contribuer à améliorer l'accès des soins euh, pour la santé et pour la femme et l'enfant nigérien. Onze ans après, quel bilan peut-on réellement tirer Est-ce que les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans bénéficient effectivement de cette gratuité partout dans le pays est-ce que cela a réellement contribué à améliorer la santé de la femme enceinte et des enfants de moins de 5 ans Quels sont les problèmes qui se posent à la mise en œuvre de cette politique de gratuité des soins S'il y a des problèmes, comment les centres de santé se débrouillent pour concrétiser cette gratuité Autant de questions que l'on peut se poser et qui méritent des réponses. Pour en débattre, nous avons invité des acteurs qui sont au cœur de cette politique. Nos invités, c'est M. Abdougalo Karimou, chef de division financement à la direction des études et de la programmation du ministère de la Santé publique. Bonjour, bonsoir, Monsieur Abdou. Bonsoir. Merci d'être venu. Monsieur Boubacar Baouba, secrétaire général du syndicat unique des agents de la santé et de l'action sociale, SUSAS. Bonsoir, Monsieur Boubacar, et merci d'être venu. Et Monsieur Saméla Mamadou, secrétaire général du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger, Bonsoir, Monsieur Samaïla. Bonsoir. Chers invités, merci une fois de plus de venir nous accompagner. Le forum du studio, c'est en fait un espace d'échange, de dialogue pour informer et édifier les auditeurs. C'est un clair un échange dans le respect de l'autre. C'est la force des arguments qui, doit donc prévaloir. Sur ce, je vais euh, me tendre vers euh, M. Gallo Abdou Karimou du ministère de la Santé publique. Je vais commencer avec vous. Euh, c'est là pour nous donner une idée réelle de ce que c'est la gratuité des soins aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Je disais tantôt que euh, c'est comme aller se soigner sans payer. Est-ce que c'est réellement euh, la substance de l'idée hum, Donc, vraiment, la gratuité des soins, effectivement, le concept a besoin d'être bien cerné. Parce qu'il y a gratuité et gratuité. En réalité, euh, ce que nous appelons gratuité aujourd'hui, ce dont nous voulons parler avec vous, c'est euh, une exemption de paiement des soins. Une exemption. Une exemption. Euh, cela veut dire quoi Cela veut dire que quand on parle d'exemption, c'est que il y a un patient qui se présente dans une formation sanitaire, il est facturé et il paye. Il paye. C'est dans le cas du recrutement, c'est comme ça que ça se passe. Mais on parle d'exemption quand la personne qui doit payer, on lui dit tu ne payes pas, tu es exempté. Quelqu'un va payer à ta place. Et ce quelqu'un, dans le cas du Niger en général. Dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce, c'est euh, l'État. Bon, avec ses partenaires. En général, l'État. OK Donc, ça, c'est de l'exemption, mais on l'appelle gratuité par abus de langage. Alors que nous avons. c'est sûr, la femme enceinte, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, ou bien l'enfant, puisque c'est de lui qu'il s'agit, oui. quand ils viennent, euh, ils ne payent pas. Ils, ne payent pas. Euh, euh, la femme enceinte, c'est trop. Mais disons que la femme enceinte, dans certaines conditions, c'est-à-dire, c'est le cas des césariennes, c'est le cas des cancers féminins et autres. Ce n'est pas toute pathologie mm. comme ça prise au sens large du terme. Mm-hmm. Par exemple. Et, l'enfant L'enfant, c'est tout. Pour l'enfant, c'est effectivement de 0 à 5 ans. De 0 à 5 ans, tout est pris en charge. Si vous avez le palu, vous avez d'autres types de euh, pathologies, vous êtes voilà. exempté. de payer. qui me, vous me tendez la perche en parlant de toute pathologie, parce qu'effectivement, la gratuité au Niger est différente de la gratuité de certains pays qui nous entourent. Dans certains pays, vous avez euh, la gratuité concerne certaines pathologies l'enfant de 0 à 5 ans, il a le palu, il ne paye pas, il a ceci, il ne paye pas, mais le reste, il paye. On a ciblé. Alors que chez nous, c'est tout, absolument tout. L'enfant de 0 à 5 ans est pris en charge à 100%, on va dire. Et mieux encore, vous allez voir dans certains pays, je ne vais pas citer de pays, où ce n'est pas un remboursement comme nous nous faisons, où l'enfant, le tarif est convenu, l'État rembourse 100%. Dans certains pays, le patient paye Malgré qu'il y a la gratuité, le patient paye une certaine proportion, par exemple 20%, et l'État rembourse les 80%. Alors que chez nous, c'est 100%. Total. Et c'est tout. tout. Euh, monsieur le secrétaire général du SUSAS, Monsieur Boubacar, c'est la définition. Quel est votre entendement de la gratuité des soins Bon, et merci. une fois de plus euh, pour le studio Kalangou et son équipe. Et les termes, euh, je pense que ce n'est pas la définition opérationnelle les termes qui qui va nous prendre assez de temps sur le mot gratuité. Tout ce qu'il faut retenir, c'est une loi, en tout cas de 2006, qui a soutenu la politique sanitaire et qui, quand elle a été mise en place, elle a dit ceci c'est de prendre en charge, quel qu'en soit l'état de santé, c'est-à-dire pathologique, de l'enfant de moins de 5 ans. Au tout début, c'était l'enfant de moins de 5 ans, et c'était encore euh, ajouté la prise en charge donc euh, de tout ce qui est césarienne pour les femmes. Et ensuite, c'est ajouté aussi la prise en charge des femmes qui ont la pathologie de cancer. Donc euh, voilà euh, les, trois éléments ou les trois dimensions de la gratuité des soins. Et définir que c'est une exemption ou autre chose, nous nous pensons que au-delà que ce soit une exemption, on peut même rectifier que ce soit une exonération. Nous pouvons dire que c'est une exonération directe parce que vous allez venir, vous allez mener votre enfant de moins de 5 ans, qu'elle est née aujourd'hui, tout de suite et maintenant jusqu'à l'âge de 59 mois. Si vous l'amenez, c'est, il y a ce qu'on appelle le guide. Il y a un guide de traitement qu'on appelle le SPT. C'est pas tout azimut qu'on va prendre la maladie. Il y a un guide qui va vous permettre, l'enfant va se présenter avec fièvre, vous allez suivre la fièvre là, elle est accompagnée de quoi Elle est accompagnée de telle chose. C'est ça, ça c'est beaucoup plus technique. C'est ça, c'est technique. Plus les de santé. on ne vient pas parce que le problème que nous sommes en train de, constater, vous amenez l'enfant pour fièvre. Et pour fièvre, la fièvre, elle seule n'est pas une maladie. C'est un signe qui oriente vers une maladie. Donc si on arrive à poser le diagnostic, cest dire que c'est le rhume, qui a donné cette fièvre, ou bien c'est les qui a donné cette fièvre, il y a une prise en charge qui va être faite à l'enfant qui n'a pas 5 ans. Et la facturation va être faite, mais c'est l'État qui prend en charge la facturation. Et nulle part, en tout cas dans ce pays, nulle part, quand elle avait commencé à être mise en œuvre. En 2006 En 2006. Nous, on a fait, au niveau de SUSAS, nous avons eu la chance quand même d'aller voir comment ça se passe. D'accord, on, va revenir sur ça. Est-ce que c'est une bonne chose, une bonne ah, politique C'est une bonne politique. Merci. Quand, l'enfant, on a vu comment il y a eu l'engouement. D'accord, on, va euh, revenir sur tous ces aspects d'engouement, de, que vous voulez soulever. M. Samela un mot sur la gratuité des soins en termes de définition Bon. Pour rejoindre les autres, puisque tout le monde est d'accord sur euh, la définition de la gratuité. Oui, je pense après la définition de euh, Gallo et de Bobo, il n'y a pas quelque chose à ajouter. La gratuité, comme le mot l'indique, mm. c'est lui qui vient directement au niveau de la structure sanitaire et il ne paye pas dans le cadre de cette gratuité, donc de cette loi de 2006 qui a été à 100%. et à 100%. Mm-hmm. Comment vous l'appréciez en tant qu'acteur de la société civile C'est une bonne chose qui est encouragée. Et parce que euh, il y a à plusieurs niveaux. Ça permet d'améliorer la fréquentation donc des, centres de santé parce qu'on sait bien que nos populations, certains, parce qu'ils ont des problèmes d'argent, n'arrivent pas à amener ou refusent d'amener leurs enfants au niveau des centres de santé pour les faire soigner. Et ça permet aussi euh, à cette population de maintenir le revenu qu'elle a parce qu'il y a beaucoup de gens qui bradent leur revenu pour pouvoir se soigner. La santé n'a pas de prix. Ah, Monsieur Abdougalou, vous qui êtes du ministère de la Santé, pour revenir à vous, comment est-ce que cette gratuité est appliquée sur le terrain, dans les centres de santé euh, bon, la question est très large. C'est seulement que vous prenez l'enfant, vous l'amenez et puis c'est terminé. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui entrent en jeu euh, Non, puisque le texte euh, qui donne droit euh, à cette exemption de paiement est clair. Euh, quand l'enfant se présente, eh ben, il n'y a plus rien à faire. L'agent de santé, il, disons, il s'assure selon ses propres méthodes, par la taille, par ceci, que vraiment, c'est un enfant, et par le dire des parents que c'est un enfant euh, cible de la, gratuité et puis il, le, il le prend en charge euh, et, euh, le, reste de la procédure suit, c'est-à-dire le fait de en fonction du niveau. Si par exemple c'est dans un cas de santé ou un CSI, c'est un relevé seulement qu'on fait. Et donc, on converge toutes les, tous les relevés sont, on va dire, centralisés au niveau de, du district sanitaire. Et c'est le district qui fait euh, la facture et qui transmet au ministère de la Santé. Euh, monsieur le secrétaire général du CISAS, peut-être une précision sur l'application, sur les patients qui doivent aller. Est-ce qu'il y a autre chose euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères Vous êtes malade ou votre femme, enceinte, votre femme est enceinte, elle est malade, votre enfant il est malade vous y allez, il n'y a pas autre chose à suivre que ça. Ok. C'est cela, non C'est cela, mais il faut aussi nuancer ce qui se fait dans certaines formations sanitaires et notamment quand vous orientez vous-même au niveau du CHR, parce nous sommes en il faut dire ce qui se passe. Au niveau du CHR, on vous renvoie toujours que vous soyez d'abord référé par un CSI. Donc il faut le dire. Et chaque fois, c'est des situations que nous trouvons quand un malade euh, directement se présente au niveau du centre hospitalier régional de Niamey. on commence d'abord par un CSI. Et voyez-vous, Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, on commence par un CSI. Et au niveau de ce CSI, c'est ce CSI qui va vous dire non, cette pathologie doit être prise en charge à un autre niveau, qui est un niveau soit hôpital de district ou bien hôpital régional. Donc voilà la situation qu'ils nous en train de vivre. Mais en général, il suffit que vous présentez dans un CSI, comme elle l'a dit. Dans un CSI, il y a des démarches. C'est le nom, c'est le prénom. Et au-delà même, vous présentez le cahier de, de carré de santé à travers lequel la femme, certainement, elle a pu faire les, les, les, les, et elle a fait un accouchement aussi, soit dans une formation sanitaire ou bien, même si c'est à domicile avec une date précise, quand vous présentez le carnet, le, calcul de l'âge ne porte pas d'équivoque et facilement on oriente, on arrive à situer l'enfant dans la tranche de 0 à 5 ans. Mais malheureusement, je vous dis, il y a ceux qui n'ont pas ce carnet il faut le dire. Hein, on va sur ces, sur ces aspects de difficultés, de d'écueils qui se posent dans l'application. Mais, en, attendant, on va aller dans les régions pour voir comment se, fait cette euh, gratuité de soins. Est-ce qu'elle est effectivement effective Et pour cela, nous allons à Maradi. Maradi où notre correspondant a rencontré docteur Soule Doudou, qui est le médecin-chef du district sanitaire de la ville. Et pour lui, cette gratuité a eu pour avantage de rehausser le taux de fréquentation des centres de santé. Mais en attendant, il parle sur l'aspect prise en charge. Je vous propose de le suivre. Depuis un certain nombre d'années, la gratuité est instaurée et ça concerne les enfants de 0 à 5 ans. Et c'est la consultation et les médicaments sont pris en charge gratuitement. Bon, il se trouve que nous avons quelques difficultés par rapport à cette gratuité, notamment en ce qui concerne le médicament. Les factures, c'est vrai, l'État fait de son mieux, mais on observe de retard par rapport au remboursement des factures pour pouvoir approvisionner les structures en médicaments. C'est la difficulté qu'on a et qui nous oblige parfois de délivrer des ordonnances même s'il s'agit d'une cible de la gratuité parce que il faut agir. Lorsqu'il n'y a pas les médicaments, on ne peut pas laisser les enfants parce qu'il n'y a pas le produit. On essaie de compléter par une ordonnance. Voilà ce que nous sommes en train de vivre par rapport à la gratuité. Mais sinon, la gratuité continue. Tous les jours, on fait ce qui est possible. Docteur, euh, nous savons que malgré que ce retard est là dans le paiement de factures, vous arrivez quand même à avoir de contact avec vos fournisseurs et qui continuent jusqu'à présent à vous faire confiance Voilà, les, certains fournisseurs nous comprennent parce qu'ils savent qu'il y a des difficultés. Donc quand on leur adresse des, euh, des, commandes de médicaments, ils, nous, continuent toujours à nous livrer et ils nous font toujours confiance parce il s'agit de, de la santé de la population et particulièrement les enfants qui sont les plus vulnérables. Voilà, vous venez de suivre Dr Soule Doudou, médecin-chef du district sanitaire de la ville de Maradi. Il s'explique là sur la prise en charge, sur la gratuité des soins aux enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Je vais commencer avec Samela, qui est de la société civile. Vous avez suivi euh, un praticien dans une région, Maradi. Quelle est votre première réaction quand il parle de problème de produits des ordonnances qui sont parfois délivrées. Mm. Oui. Qu'est-ce que vous en dites Donc, euh, l'intervention de euh, Dr Souley, euh, moi je pense que j'ai focalisé sur un, un thème qu'il a dit, bon, une expression, on fait ce qui est possible. Ce qui est possible, ça dénote. Aujourd'hui, quand vous entendez un agent de santé parler de ce qui est possible, ça veut dire qu'il y a vraiment des difficultés. Eux-mêmes, devant certains cas, ils sont obligés de se plier. Et comme on l'a dit, euh, la gratuité aujourd'hui, euh, l'état dans lequel où la mise en œuvre est en train de conduire les formations sanitaires vers une décrédibilisation. Parce que euh, au niveau des fournisseurs, les formations sanitaires deviennent des mauvais payeurs. J'ai vécu le cas parce qu'à un certain moment, j'étais au niveau de la maternité Isaac Gazobi et je voyais le combat que les gestionnaires menaient pour amener ou essayer de convaincre les fournisseurs. Parce que tout simplement. Qui sont, qui sont ces fournisseurs Ces fournisseurs, c'est les firmes qui vendent euh, les produits. Ce sont des individus euh, agréés par l'État qui font rentrer des médicaments dans les produits, donc qui ravitaillent ces formations sanitaires en médicaments. Et euh, le problème qui se pose, c'est que ces formations, quand elles font les prestations par rapport à la gratuité, le remboursement tarde à venir. Et quand ça tarde à venir, déjà, le recouvrement qu'ils ont à leur niveau, c'est ça qu'ils utilisent. Le recouvrement des autres patients qui sont pris en charge, c'est ce qui est utilisé pour euh, prendre en charge la gratuité. Donc, le remboursement en retard, c'est une grosse difficulté. Monsieur Boubacar, secrétaire général du syndicat unique de l'action sociale, de SUSAS, vous êtes un praticien en même temps. Ici, euh, on a pris l'exemple de Maradi. Vous avez écouté les explications de M. Samaïla il y a quand même des difficultés, le retard dans le paiement des factures, parfois il n'y a pas de produit et finalement c'est des ordonnances qui sont délivrées. Ok, merci. <clears throat> Euh, pour, rappel, les syndicats unique de la santé, l'action sociale, les SUSAS, a plusieurs fois dans son préavis de grève inscrit cette euh, problématique de la gratuité des soins pour exiger du gouvernement le paiement des factures ou bien des arrêts à l'époque qui était à 15 milliards donc, il y a un engagement qui avait été pris par le président de la République. depuis à, l'époque, ça fait en quelle année À l'époque, bon, je parle depuis, 2012, hein, et c'était environ 15 milliards, hmm. où nous avons même exigé qu'il y ait vraiment euh, un forum. Il y a eu un forum sur la gravité des soins, et certainement celui qui reprend le ministère vous en a parlé, et nous avons dit voilà un constat. Et le problème de la gratuité de soins au avait commencé. Le non-paiement a commencé en 2009. En 2009. En 2009. Trois ans après son, sa mise trois en ans après sa mise en, en œuvre. En 2009. Et jusqu'à ce qu'on avait connu, la transition de 2010, c'était devenu un problème. Il faut c'est la vérité. Voilà là où. C'était quoi le fonds du problème C'était le non-paiement des factures liées à la gratuité des soins. Et ça nous a permis, pendant que nous avons commencé en tout cas euh, la grève, en 2011, je te rappelle bien, hein, le 14 décembre 2011, notre premier papier de grève avait exigé qu'il y ait le paiement des factures liées à la de soins qui s'élevait à un montant de 15 milliards. 15 milliards déjà en Voilà. Et nous avons dit, nous, nous sommes des praticiens. Et nous sommes en même temps des agents qui défendent aussi les intérêts matériels et moraux de nos militants. Nous avons été à la justice pour accompagner ou soutenir moralement une camarade du fait que elle a prescrit l'ordonnance, comme l'a dit le docteur Doudou. Elle a pris l'ordonnance parce qu'il y a deux types de procédures de l'ordonnance. Il y a l'ordonnance pour sauver une vie quand tu n'as pas. Tu sais très bien que l'enfant a 40 degrés ou à 41 degrés, mais tu ne vas pas dire, tu ne vas pas faire la seconde, parce qu'il n'en a pas pour casser la fièvre. Tu vas faire quoi Tu vas dire retourne ou on va, il n'y a pas d'ordonnance Non. Quand elle a fait l'ordonnance, c'était même à l'époque un, juge. Un juge qui, là, qui a même porté plainte contre cette femme-là. Pourquoi Et ça a été fait au CSI, euh, un de ces étudiants là Nous avons été, on a dit, mais pourquoi Cette femme-là, on la harcèle parce qu'elle a donné l'ordonnance pour sauver une vie. Si elle ne le fait pas, j'arrive. Si elle ne le fait pas, on va dire que non enceinte d'une personne en danger. Mais la loi a dit, là où le juge aussi peut avoir raison, la loi a dit qu'on doit prendre gratuitement. Par conséquent, on doit, on doit avoir le toutes ces de, molécules d'urgence. D'accord. Le fait de donner une ordonnance, c'est déjà une entorse à la loi. C'est une entorse à la loi parce que la loi a dit qu'il faut prendre gratuitement. Si la loi dit qu'il faut avoir un verre dans ce studio, quand nous rentrons, s'il n'y a pas ce verre-là, on a vu la loi. Mais quand du fait que les verres sont cassés et que celui qui doit fournir le verre n'est pas là, qu'est-ce qu'il faut En urgence, il faut avoir un verre, un verre même s'il faut les payer. Deuxièmement, il y a une ordonnance sous demande du parent. Et nous avons vu des parents, il faut se dire ainsi qui se passe. Peut-être vos studios doivent être aussi une voie d'information. Vous donnez des molécules parce que la plupart des molécules qui sont au niveau de la gravité des soins, ce sont des molécules qu'on appelle les médicaments essentiels, génériques essentiels. Les médicaments essentiels génériques. Quand vous les, donnez, voilà, simple, les, les les parastamol, les, quand vous donnez ces génériques-là, il y a des parents qui vous jettent ça moi, c'est pas ça. Fais-moi l'ordonnance, j'ai pris, j'ai vu euh, spécialité, j'ai vu bristopène, j'ai vu ceci, cela. Donc, voyez-vous les procédures de donner l'ordonnance. Hmm. Et c'est un aspect, on va revenir sur, ces, autres problèmes. Peut-être le temps de donner à M. Gallo qui représente le ministère de la Santé, de nous faire peut-être. Euh, il, va, il va répondre à ces questions, écueils-là qui se posent. Mhm. Alors, M. Gallo, on a parlé de problèmes de, facture. Mm-hmm. Hein, euh, les gens payent, mm-hmm. les gens viennent consulter, mm-hmm. ils sont traités, mais finalement, l'argent ne rentre pas. Donc, on est obligé parfois de faire des ordonnances. Oui. Bon, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, comme docteur Doud l'a dit, je pense qu'il faut commencer par féliciter l'État. D'abord pour le souci tout à fait normal, parce que c'est dans son rôle égalien, le souci de la santé de la population en adoptant cette politique-là. Euh, comme je vous l'ai dit en définissant la, la, gratuité, il y a des pays où ce n'est pas comme ça. Et où les gouvernements ont aussi le souci de la santé de la population. Où c'est, on amène les gens à payer une partie subvention. Donc on ne rembourse pas les 100%, mais une partie seulement. Et ensuite, pour la santé des enfants, ce n'est pas tout il y a des patrouilles ciblés. Au Niger, on a dit tout et 100%. Peut-être c'est le revers de la médaille. Ça coûte quelque chose. Et il faut savoir en tenir compte. D'accord. Mais quand on fait au total, oui, euh, j'arrive. Au total, donc, il faut reconnaître cela. Il faut reconnaître cet engagement politique pour la santé des populations. Et cet engagement au plus haut niveau. Parce que, en tant que quelqu'un qui est chargé de la question de la gratuité, je sais que Son Excellence, Monsieur le Président de a lui-même, personnellement, organisé et tenu des réunions, lui-même personnellement, au cours desquelles il a demandé que soit fait un plan d'appurement des arriérés. Vous savez le contexte dans lequel nous sommes. Ça a amené ce plan-là qui a commencé à marcher. On a commencé à rembourser euh, de manière régulière les régions. En 2012, on était à 15 milliards de francs CFA selon le SUSAS. Oui. Actuellement, quelle est la facture euh, Bon, la, malgré, la facture, malgré les bonnes volontés. Oui, oui, la facture, il faut dire que ça dépend de où on se situe. Parce que quand vous allez aux finances demander les arriérés, ils vont vous dire peut-être c'est 10 milliards. Parce que c'est normal, le ministère des Finances ne tient compte de ce qu'il a vu. Si aujourd'hui vous faites une prestation au ministère des Finances, vous, vous n'amenez pas, tant que ce n'est pas arrivé aux finances et que c'est ordonnancé que ça doit être payé, l'État ne reconnaît pas ça. Donc ces factures-là que nous avons, nous avons des factures chez nous, en stock, à la dette, ces factures-là, n'étant pas encore parvenues au niveau des ministères des Finances, ne sont pas dans euh, or, les formations sanitaires tiennent compte de ça comme arriéré. Elles considèrent mais, doivent... mais toujours est-il voilà. que la note salée jusque-là Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et, c'est normal, euh, tenant compte du contexte, comme je l'ai dit, dans lequel nous sommes, euh, où vraiment beaucoup d'argent va dans, les questions de sécurité et ailleurs. Il faut savoir en tenir compte aussi. Mhm. Je suis sûr que nul c'était ces questions-là, on n'aurait pas eu autant d'arriérés. Je suis convaincu de cela. En 2016, ah. hein, 2016, -hmm. Front a été payé. En 2000 combien 2016 aucun franc pour euh, la gratuité de soins de la part de l'État. Oui, c'est-à-dire, euh, ce qu'il veut dire, 2016, euh, les factures de 2016. C'est-à-dire, en 2016, le budget qui a été prévu, c'est 8 milliards. Sur les 8 milliards, nous avons engagé 4 milliards. Comme tout le monde le sait, le dernier trimestre a été gelé. Tout le monde le sait. ce n'est un secret pour personne. Et donc, ça, ce n'est que les engagements. Le côté paiement, il y a eu des paiements mais ces paiements concernent des factures antérieures à 2016. Donc il veut dire qu'en 2016, puisqu'il connaît bien la situation, étant au ministère de la Santé, euh, en 2016, euh, les factures 2016 n'ont pas été payées, aucune facture comme l'a dit euh, M. Boubacar du CISAS. Actuellement, nous sommes en train d'engager des factures de 2015, 2014 même pour certaines structures. Merci M. Gallo. Je veux aborder un autre problème qui n'a pas peut-être été évoqué ici, c'est la question peut-être de la sensibilisation des populations. J'ai euh, quelques notes euh, qui euh, démarquent, des notes du déphasage dans la fréquentation des centres de santé. À Tawa, vous avez 83% de fréquentation du fait de la gratuité des soins. Et ici, à Niamey, vous avez 46%. C'est une note de, de l'Institut national des statistiques. Est-ce qu'il y a eu sensibilisation Est-ce que les gens ont vraiment pris le côté comme il fallait le prendre, informer et puis après euh, l'appliquer. Monsieur Samaïla. Oui, merci. Euh, du, roi Oui, je pense que euh, la gratitude aujourd'hui, s'il y a un thème sur lequel la population est informée, je pense que c'est cette thématique. mais qu'est-ce qui explique ce défaisage Selon l'INS, vous avez 83% de taux de fréquentation à Tawa, dans la région de mais à Niamey, vous n'avez que 46%. Bon, euh, je ne pourrais pas l'expliquer, mais il, faut aussi tenir, compte euh, que Niamey, c'est une spécificité. Il y a beaucoup de centres euh, de santé, que ce soit du public ou bien du privé. Et vous savez aussi, aujourd'hui, peut-être cette fréquentation, pour pouvoir aller à un centre de santé, il faut aussi pouvoir se déplacer. Monsieur Bouaka, vous qui êtes du syndicat unique de l'action sociale et de la santé, est-ce que il y a eu un programme de sensibilisation des populations pour qu'elles aillent euh, dans les centres de santé. Et je vais d'abord commencer par cette comparaison que l'INES a faite. Pour moi, elle ne peut convaincre personne. Puisque ce sont des deux terrains incomparables. J'aurais souhaité comprendre la région de. C'est une enquête de 2012, je précise. 2012, j'aurais souhaité avoir les informations sur toutes les régions. Hmm que de donner une région par rapport à une autre région qui n'est pas celle de la capitale. Je reprends tel que c'était écrit. Entre 2006 et 2012, l'utilisation des services prénatales mhm. a presque doublé et est passée de 46% en 2006 à 83% en 2012. Euh, bon, ça, c'est le chiffre national. Mais en tout cas, avec Tawa, il y a un déphasage. Donc, Tawa, 83% et 46% pour Yamé. voilà. Merci. J'ai dit euh, la comparaison tawa Niami pour moi. C'est un exemple. Hein. C'est un exemple, mais ça ne peut, pas, euh, convaincre le public. J'arrive. Puisque Soumel a dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, les formations sanitaires publiques de Miami sont les moins délaissées par la population elle-même. Les plus délaissés ou les moins délaissés les plus délaissées par la population. Vous, savez pourquoi Chacun pense qu'il serait mieux que d'aller se faire soigner en privé. Chacun pense. Et quand, je dis bien ce que je pense mm. et ce que nous avons constaté. Et quand vous amenez un enfant, très facilement, le degré de compréhension de la population, d'abord, elle est plus stricte à Amérique, qu'à l'intérieur du pays, il faut se le dire. Ils ont beaucoup plus de moyens euh, d'écouter telle radio, d'écouter telle et telle télé et de voir ou bien d'être beaucoup plus appuyé par un parent pour aller dans telle ou telle formation sanitaire. J'aurais souhaité avoir la comparaison Tawa et Maradi ou Tawa et Zander. Donc c'est des chiffres que vous contestez Non, si je ne conteste pas les chiffres, c'est une enquête. ma question quand même, oui. Ma question, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu un programme de sensibilisation Les programmes de sensibilisation, C'est la gratuité des soins. nous-mêmes, en tant qu'acteurs euh, syndicaux, nous avons vu la gratuité des soins tomber d'elle-même. Rien n'a été prévu ou qui nous a impliqués dans la conception, dans la mise en œuvre. Vous qui êtes agent de santé Nous-mêmes qui sommes agents de santé et nous-mêmes qui sommes aussi acteurs syndicaux. Tout le monde a vu la gratuité de soins tomber comme ça. Donc, il y avait pas un voir répondre, c'est une question importante. quand même. C'est comme ça Est-ce que c'est comme ça Est-ce qu'il y a eu un programme d'information et de sensibilisation du public Oui, non. Que les femmes enceintes ont droit à la gratuité, et que les enfants ont droit de 0 à 5 ans Non, ce qu'il dit, euh, c'est vrai dans le sens où, euh, effectivement, la gratuité, en 2005, c'est arrivé comme ça. Et donc, ce qui a fait que... 2006. 2005. Le premier texte a été adopté en 2005, fin 2005. Euh, très exactement octobre-novembre 2005. C'est le premier texte sur la césarienne. Mais ça n'a pas été tout de suite appliqué, euh, tout simplement parce que les gens étaient impréparés. Même les agents de santé se demandaient mais comment on va faire ça hein? euh, Donc c'est le décret 2005-316 de 2005 qui porte sur la césarienne. Et donc, il a fallu mettre en place un dispositif pour que, effectivement, parce que quand c'est arrivé, même faire des factures, les gens ne savaient pas comment faire les factures pour transférer. Les premières factures, d'ailleurs, ne passaient pas par le ministère. Ils passaient directement au trésor et les gens se faisaient. Euh, avant Que, oui, oui. Donc, vous voyez, il y avait une impréparation au départ, mais les gens sont tout de suite rattrapés. Euh, euh, maintenant, quant à la sensibilisation, moi, je me dis certainement qu'il y a eu, à l'époque, je n'étais pas au ministère, hein, n'est-ce pas En 2005, j'étais encore ailleurs. donc, je me dis qu'il y a eu un programme de sensibilisation parce que euh, aujourd'hui, au Niger, la, participation communautaire est importante dans euh, le système de santé. Euh, au niveau périphérique, nous avons des comités de gestion où, au niveau de chaque formation sanitaire, c'est une sorte de, groupe qui gère le système de santé. Et ce groupe-là la population est dedans. En principe même, la santé est en retrait parce que normalement, au vu des textes, le, chef CSI, le major, n'est que le secrétaire du groupe-là en question. Donc avec le temps, vous avez pu régler oui, euh, cette difficulté de sensibilisation. Tout le monde est haut. Euh, ça, a été, ça a été fait. Euh, ça a mis du temps peut-être, mais ce qui est sûr, ça ce n'était pas ça qui a précédé avant parce que idéalement, il aurait fallu qu'on discute avec les communautés, voilà ce que nous voulons faire, etc. Avant de mettre ça en place. Maintenant, non, c'est tombé comme ça et c'est après qu'on a essayé de rattraper. On a parlé de goulot d'étanglement, donc des difficultés. On va aussi parler des avantages de cette gratuité de soins et nous allons toujours à Maradi pour écouter docteur euh, Soule Doudou, qui est le médecin-chef du district sanitaire de la ville. Il explique ici les avancées de la gratuité de soins dans la ville de Maradi. L'avantage de cette gratuité des soins, c'est que ça, motive les parents à amener les enfants à la consultation et à temps parce qu'ils savent qu'ils ne doivent pas payer. Et c'est ça le plus gros avantage. On les prend en charge gratuitement et à temps. Et ah, cette gratuité, c'est en train d'augmenter la fréquentation des structures. Et la fréquentation des structures, c'est important pour euh, la qualité Oui, oui c'est très important parce que euh, certains ne comprennent pas l'avantage de venir à temps dans les formations sanitaires. Mais à partir du moment où ils savent qu'il y a la gratuité, les parents amènent, dès que l'enfant a des malaises, les parents se précipitent pour venir dans les formations sanitaires pour savoir de quoi il s'agit et bénéficier de ce qu'il faut pour le traitement. Voilà, docteur Soule Doudou, du médecin-chef du district sanitaire de la ville de Maradi, qui parle des avantages de la gratuité. Et donc, j'ai aussi le rapport euh, du système national d'information sanitaire, le SNIS de 2012, et qui, effectivement, donc, je le disais tout à l'heure, de 2006 à 2012, l'utilisation des services prénatales s'est doublée de 46 en 2006 à 83 en 2012. Et puis a l'utilisation des méthodes contraceptives modernes qui a aussi connu une légère augmentation de 5% en 2006 à 12% en 2012. Il y a aussi le nombre de césariennes qui est passé du simple 0,8 à pratiquement au triple 2,8 toujours selon l'enquête euh, euh, du système d'information sanitaire. Monsieur Samaïla, c'est un grand satisfait qu'il faut retenir à partir de ce constat davantage Oui, bon, nous, on ne peut que se réjouir eh, de cette gratuité donc des soins. mais en même temps que cette gratuité eh, facilite la vie eh, à certaines couches de la population, elle a quand même des répercussions. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez la césarienne qui a carrément triplé, il y a aujourd'hui des femmes qui peuvent accoucher d'elles-mêmes. Mais du seul fait qu'il y a cette césarienne, aujourd'hui beaucoup de femmes sont césarisées. Et ça, c'est à la, à la longue ou à la limite, ça constitue un problème. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup redoutent par rapport à la césarienne. On ne fait pas de la césarienne parce qu'on veut qu'on le fasse. Il y, a, le médecin qui donne des instructions toujours, non Bon, il y a cet aspect. Mais aujourd'hui, euh, vous prenez certaines formations, euh, parce que nous, nous avons des échos. Il y a des gens qui vous disent qu'ils ne vont pas aller à la formation sanitaire parce que dès que vous arrivez, c'est la césarienne. C'est la césarienne. Dès que vous arrivez, c'est la césarienne. Donc je me dis que euh, ça aussi, ça doit être euh, encadré. Je sais que la césarienne, ça a un coût. Il y a, pour faire la césarienne, pratiquement, quand vous le prenez, près de 21 médicaments ou en tout cas et supports qui sont utilisés dans le kit de la césarienne. Donc la césarienne, parce que les gens ont cette gratuité, donc elle se donne euh, à volonté Bon, ça, je vous dis que c'est les constats, parce que quand nous, nous questionnons des, des gens, et nous avons aussi au niveau de la population, quand nous faisons certaines évaluations, les gens nous disent, c'est ce que les gens nous disent, qu'ils évitent certaines formations sanitaires parce que eh, la, forme, la césarienne, en tout cas, elle est assez facile. Alors, quels, sont, sont, les autres échos que vous avez concernant justement les avantages de cette gratuité Les avantages de cette gratuité, comme je l'ai dit, eh, ça permet vraiment au niveau de l'économie, surtout quand vous prenez l'économie rurale, vraiment eh, aux gens de maintenir le revenu qu'ils ont. Et quand vous prenez aussi, ça permet d'éviter le retard par rapport à la prise en charge. Parce que si vous savez que vous n'avez rien à payer, quand vous amenez l'enfant qui a moins de 5 ans, et lorsqu'il est malade, vous n'avez pas à aller chercher des ressources pour pouvoir l'amener à l'hôpital. Or, on sait bien aujourd'hui que notre système, quand c'est payant, tant que vous ne payez pas, vous n'êtes pas pris en charge. On va donner la parole à M. Boubacar du syndicat unique de l'action sociale. Merci. Euh, euh, voilà. Moi, je rappelle que. Les avantages. Oui, les avantages, vous avez déjà dit. Il y a un taux qui est là, oui. Euh, la fréquentation a augmentée. Il y a même le revers, le fait qu'on ait la césarienne, oui. J'arrive. La, la, la gratuité des soins, c'est comme euh, un cinéma gratuit. Quand vous dites que le cinéma aujourd'hui l'entrée est gratuite, vous allez voir comment les gens se font l'engouement pour entrer. Rien qu'au cinéma. Là, vous allez voir un film, on s'appelle quel est le contenu. après plus forte raison, ici, on a dit quand vous êtes malade, vous amenez l'enfant les euros à 5 ans, il sera pris en charge et la femme aussi serait césarisée. Je rappelle que ce que dit, ce dit là, peut-être dit, euh, qu'il m'excuse, hein, en profond de la santé. oui. En profond, de la santé, parce que la césarienne, elle a une indication. Elle a trois indications. L'indication pour le fœtus lui-même, l'enfant, l'indication pour la mère et l'indication pour les deux. Et ce n'est pas tout à assumé parce que la, césarienne est gratuite qu'on la césarise. Il y, a des il y a des césariennes aussi curatives. Il y a des césariennes aussi préventives. Tous ces aspects qui étaient dit, l'indication, c'est l'indication curative. Donc voilà un problème qui est là. Il faut sauver la femme, surtout il faut sauver l'enfant, il faut sauver les deux. Il y a la césarienne qui se fait de manière préventive. Et généralement, c'est même les mêmes parents qui demandent que cette césarienne préventive soit faite parce que la femme dit non, elle veut accoucher sans douleur. Ça, c'est des aspects peut-être lui, il n'en connaît pas parce que les, gens, les femmes ne vont pas les dire. Est-ce que c'est un côté réveil qu'on demande. Non, dans tous les cas, la césarienne, dès est gratuite et mhm. qu'elle permet de suivre l'enfant, la mère et les deux, je pense qu'elle a une indication. Je vous dis, hein, c'est pas parce qu'aujourd'hui la femme est, est, venue, il y a ce qu'on appelle les risques qui expose la femme à accoucher par voie basse ou qui expose l'enfant à sortir par voie basse. Il y, a, des indications qui sont là, mhm. il y a des critères de le faire. Maintenant, pour dire que eh, la gratuité a été bénéfique, oui. Elle a été très bien bénéfique parce que moi, euh, en tant qu'agent de, santé, en tant qu'acteur aussi. Et en santé, la reproduction, on dit, ça évite trois retards. Le premier retard qui est un retard communautaire, c'est-à-dire qui va prendre la décision d'aller. Déjà, la décision, l'État a pris la décision que quand vous partez, c'est gratuit. Donc, celui qui va prendre la décision, peut-être c'est là, le père de famille, peut-être c'est le grand frère de sommet qui est père de famille, ou bien c'est un autre qui est père de famille qui va prendre la décision, il faut aller au CSI. Donc, déjà, ça évite ce retard-là. Il y a le deuxième retard qui est un retard lié aux moyens. Déjà, les moyens sont investis par l'État. Donc celui qui va prendre la décision d'aller, il dit, mais écoutez, allez-y. Les moyens d'aller sont là. Allez-y, c'est gratuit. Maintenant, il y a un troisième retard qui est important, le troisième retard qui est, lié au système. Déjà, celui qui va prendre en charge l'enfant, là, elle est déjà là. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que la gratuité n'est pas bonne. Non, elle est très bonne. Elle a été aussi très efficace. Mais. Il y a des mains. Ces mains mais, là, nous allons les décrire peut-être en perspective. Il, y a lieu d'améliorer. On va revenir sur peut les, solutions à préconiser. Euh, Gallo, vous du ministère de la Santé, vous en êtes très content. C'est une très bonne décision et au bout, en tout cas dix ans après, euh, il fallait la prendre. Hein. Oui, oui, en plus de ce que euh, M. Baba a, dit tout à l'heure sur la, césarienne, euh, beaucoup, effectivement, beaucoup de gens ont la réaction de Samaïla, euh, à tort ou à raison, que les gratuités, les césariennes, en ont fait à tout bout de champ. Il faut savoir que le médecin est conscient. Il est conscient d'une chose. C'est un acte chirurgical dans lequel on endort la femme. Et dans ces cas-là, il y a le risque de mort. Et il ne le fait pas à de guetter de cœur. Il n'y a pas d'acte chirurgical de cette nature-là que, qui est sans risque et donc que le médecin se hasarde parce qu'il y a, je ne sais pas combien de milliers de francs euh, que la gratuité rembourse, qui ne tombe pas tout le temps, à cause de ça, en sachant que la femme peut mourir sur la table. Donc, euh, mais souvent, ce que les gens oublient, parce que j'entends souvent, moi je suis de la santé, les gens me disent Mais ma tante Gazobi, dès que tu arrives, on t'opère. J'ai dit Mais qu'est-ce qui t'a amené là-bas Gazobi, là, on ne part pas pour rien. C'est un centre où, normalement, on ne fait que ça. Vous ne devez pas aller accoucher normalement là-bas. Vous devez aller dans les Quand vous allez là-bas, c'est qu'il y a un problème. Et comment vous soyez, vous, vous, pouvez vous étonner qu'on ne fait qu'opérer, on ne fait que alors que c'est pour ça que c'est fait. Ok Donc maintenant, par rapport euh, euh, aux avantages, en plus de ce que les oui, rapidement. je voulais juste dire que déjà en 2010, avant même de l'enquête de 2012, on a vu une réduction de la mortalité infanto-juvénile de, de 198 pour... Euh, oui, oui, à 130. Les résultats sont là, ça, très Oui, les résultats sont là, c'est important, 0,5. Et la, mortalité maternelle de 648 à 554 pour 100 000 naissances vivantes. C'est vraiment des résultats. Oui, oui. Euh, Déjà en 2010, avant même qu'on ne s'éloigne. Merci pour ces précisions. On va mhm. faire un dernier tour pour mhm. euh, euh, trouver des solutions pour que cette gratuité soit effective mhm. et qu'on n'ait pas beaucoup de problèmes. Monsieur Samela, qu'est-ce que vous proposez au niveau du Rosan, du, du Roi euh, moi, je pense que euh, pour résoudre les problèmes euh, de cette gratuité, et ces problèmes aujourd'hui, c'est le non remboursement de ces factures. Et je pense que comme en grande partie. Oui, en grande partie, comme M. Gallo a eu à le dire, c'est le système qui a besoin vraiment d'être euh, amélioré pour que les factures prennent moins de temps pour arriver au niveau hmm. donc, euh, des finances. C'est une solution pertinente. Monsieur Boubacar du CISAS. Ok, merci. La solution urgente, rapidement. Non, la solution urgente. J'aurais souhaité que euh, le répondant du ministère euh, vous donne, en tout cas, la solution la plus adéquate, celle de décentraliser. Tant qu'on ne décentralise pas, la décentralisation, c'est quoi Très bien. Décentralisation, voilà aux factures. Comme il l'a dit, c'est les districts qui font. Normalement, la région doit centraliser. Et si on décentralise, on dit la région de Maradi, par exemple. un exemple, je pris. Oui, bien C'est 500 millions qu'il faut payer pour tous les districts et les centres mères enfants et le CHR, que le paiement soit fait là-bas. On C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de transmettre pour que jusqu'au niveau national tant qu'on euh, ne le fait pas. Comme on a commencé avec euh, un projet, peut-être lui va parler parce que hmm. c'est leur domaine. Je pense que tant qu'on ne le fait pas, on ne peut pas aller. Et une autre perspective parce que y a des gens qui nous écoutent. Hmm. Il faut que les financements innovants accompagnent. Les financements innovant innovants. C'est-à-dire que ce soit les téléphonies cellulaires, que ce soit les, redevances minières, que ce soit autre chose, il faut que ça accompagne la gratuité des il faut que ça accompagne en tout cas la, euh, politique. Monsieur Gallo, vos, solutions immédiates. Oui, alors comme on l'a dit. Parce que vous avez des résultats probants, il faut qu'on aille dans la lancer, mais il y a des écueils, il faut le les problème il y a d'autres problèmes. Le problème clé, c'est l'instance oui, les remboursements. Donc, euh, et par rapport à cela, effectivement, comme il l'a si bien dit, euh, le ministère de la Santé publique a euh, commencé depuis, on a commencé depuis un an, mais sur le plan opérationnel, c'est bientôt que ça va se, peut-être le mois prochain qu'on va. On ne parlera commencer. de, de, factures. Non, non, non, non, non, non, c'est pour aller dans le sens qu'il a dit, c'est-à-dire décentraliser. Euh, on s'était dit qu'effectivement, euh, un des problèmes de, la gratuité, c'est parce que les facteurs viennent jusqu'à Niamey et que ça suit un circuit de la chaîne de dépenses classique, etc. Et donc que c'est long. Donc on a dit, euh, on va essayer, et donc on a un partenaire qui nous soutient, c'est l'Agence française de développement, l'AFD, n'est-ce pas, qui a mis près de 6 millions d'euros à la disposition du pays pour qu'on puisse faire cette expérience de décentraliser. Donc d'ici peut-être une année, ça va être un, un lointain Voilà, parce qu'en plus de ça, il y a le paiement d'une certaine partie des arriérés dans ce montant-là, une partie des arrêts de Dosso de la région. Ce sera, ce sera le ouf. Ce sera le ouf. C'est déjà un ouf parce qu'il y a des médicaments qui sont placés. Merci euh, beaucoup. on n'a pas le temps d'en parler. Oui. Il y a même on aura une autre occasion. On aura peut-être une autre occasion. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Abdou Gallo Karim, chef de division financement à la direction des études et de la programmation au ministère de la Santé publique. Merci à vous, Boubacar Karbaouba, secrétaire général du syndicat unique de la santé et de l'action sociale, SUSAS. Et merci à vous, Monsieur Samuel Mamadou, secrétaire général du Roissan, le regroupement des ONG associations du secteur de la santé. Merci, bonne soirée.